Salut les amis de eSport TV, merci de continuer à vous abonner, merci de la confiance renouvelée et surtout gars, merci du oui, du abonné, du baisser, des commentaires. 65e édition du Ballon d'Or, Lionel Messi sacré pour la septième fois, comme on dit, Lionel Messi a été sacré meilleur joueur du monde, la Pulga, donc 7 fois cette fois cette fois un record imbattable le Lionel Messi d'Adi Djalat de la dans l'antre de Paris la capitale française la capitale du Paris Saint-Germain Lionel Messi euh, Tay le Djalat, juróom Ballon d'Or Ballon d'Or boo également ça va faire parler parce que nous, bëri favori c'était Lionel Messi et Robert Lewandowski mais Lionel Messi Moko ko Lionel Messi il a dit des propos c'est des propos à saluer Ballon d'Or il était accompagné de sa femme et de ses trois enfants, Lionel Messi habillé en doré comme s'il était euh, déjà au courant et c'est le cas. Donc il était déjà au courant comme Momoy donne Ballon d'Or pour la septième fois. Le braqueur parisien, le braqueur donc euh, du Paris Saint-Germain, le braqueur argentin, Lionel Messi, roi du football mondial, Ballon d'Or. Il a également vu sa photo être mise à côté de la tour Eiffel pour montrer que également maintenant Paris Saint-Germain, Paris et la tour Eiffel, deux monuments la tour Eiffel avec Lionel Messi qui devient aujourd'hui un monument de Paris Saint-Germain. Nasser Khalafi qui n'a pas caché sa joie de voir également un de ses joueurs devenir Ballon d'Or mondial et aujourd'hui également le Paris Saint-Germain qui remporte pour la première fois au sein de son club le Ballon d'Or. Lionel Messi également a parlé d'un joueur qu'il estime et qu'il a également apprécié, Mouikan Robert Lewandowski, le meilleur buteur de l'année mom lañ jox titre meilleur buteur de l'année avec 64 buts Lionel Messi nénoko yow Lewandowski man dama la estimé dama la bëgg dama la respecté ñëpp xam nañ né 2020 bu du Covid bi yow lañ waron jox ballon d'or et yaakaar naa ne ma ngi ñaan wa France Football jël ballon d'or bi jox la parce que yow da nga mérité 2020 bi nekk meilleur joueur du monde loolu kenn warantew ko ñun ñëpp wax nañ ko Lewandowski bi nga aujourd'hui on lui a donné le titre de meilleur artificier mondial meilleur buteur mondial lui qui était accompagné de sa femme euh, au niveau du Ballon d'Or 2021 Robert Lewandowski également un grand monsieur koo xam mi ngi le serial killer qui ëpp li mu dugal ci saison bi ci club yëpp ci àdduna bi yëpp moom mo ëpp li mu Robert Lewandowski avec ses 64 buts pour cette année lui également qui a battu le record de Gerd Müller avec 41 buts avec le Bayern de Munich Robert Lewandowski le polonais qui n'a rien à envier aux autres moom lañu qui et Lionel Messi wax respect champion tu le ballon d'or ñun ñëpp xam nañ ko dañoo jël ballon d'or bi fekk la ba sa kër fekk la ba fa nga Bayern de Munich et Sadio Diom jox lako ndax mérité Lewandowski également qui a salué néna 2020 bi malheureusement c'est toujours un plaisir de revenir participer au Ballon d'Or et que honneur la kenn il a fait euh, honneur au Barcelone FC Barcelone moy Pedri Pedri élu meilleur joueur jeune espoir de l'année Momomoutou Kylian Mbappé mi 2019 bi mais également Ballon d'Or féminin bi Alexia Putellas la Barcelonaise la capitaine des Blaugrana l'espagnol l'espagnol mon titre Ballon d'Or Alexia Putellas Mounek pour la première fois également Moudjel Ballon d'Or elle aussi qui a tenu à remercier son père qui est décédé et qui a rendu hommage à sa mère Alexia Putellas l'une des meilleures joueurs du FC Barcelone elle a remporté les gars elle a remporté la Ligue des champions féminines avec le FC Barcelone Alexia Putellas une joueuse qui n'est plus à présenter une joueuse qui est également aujourd'hui dans l'entre des meilleures joueuses du football mondial Amnous, c'est absence c'est des absences notées parmi les absences notées Moui Cristiano Ronaldo pour la première première fois de l'histoire, depuis plus de 10 ans, Cristiano Ronaldo ne fait pas partie du top 5 des meilleurs joueurs du Ballon d'Or. Il a été classé sixième. Cristiano Ronaldo qui a également fait une grande sortie. Mais aussi Donnarumma, qui a été élu sans grande surprise comme meilleur joueur avec le tri euh, Yev Yashin, nommant donc le meilleur gardien au monde. moom moo deuxième bii di Edouard Mendy Edouard Mendy boo xam ne ñëpp ñi ngi naan moom moo ko jël déclaration ça commencé na yaa commencé gis hashtag Edouard Mendy ñu jël ballon d'or au vu de ce qu'il a fait ñeneen ñañ bu fekkoon euh, français la wala beneen que le jouer dina jël ballon d'or Edouard Mendy en tout cas pour nous moom na gars yi c'est le meilleur gardien de tout du monde de cette année tout cas ñu ngi xaar aussi FIFA de best di xol la lañ koy nommé keneen ki nga xam aussi espoir la moom wax na ci ballon d'or bi nee il n'est pas encore le meilleur mais il a l'honneur d'être aux côtés des meilleurs muy Kylian Mbappé qui a été classé neuvième du ballon d'or daaw mi nga xam moo nekkoon septième daaw aussi muy 2019 moo nekkoon meilleur jeune joueur espoir il a salué ça euh, Chelsea de Thomas Tuchel Chelsea de Edouard Mendy Chelsea de Romelu Lukaku meilleur club de l'année ñoom lañ tànn ak Jorginho mi nga xam aussi moom moo jël troisième ci ballon d'or bi Chelsea a salué mais également Mohamed Salah qui est le seul Africain à bien entendu figurer dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde, Mohamed Salah, l'Égyptien, euh, âgé de 29 ans, Mom Mais aussi, on le dit, lui c'est le numéro 16 du Sénégal, du, plutôt de Chelsea, mais également le numéro 1 du Sénégal, l'un des meilleurs gardiens du monde, Edouard Mendy, rend hommage, des Momoko mais aussi Donnarumma, il a fait une bonne saison en remportant la Coupe d'Europe. Cristiano Ronaldo, classé 6e, déclaration, néna euh, ki nga patron France Football Cristiano Ronaldo euh, rêve football mu même nom euh, de ballon d'or que Lionel Messi Cristiano Ronaldo nee ko da fenn excusez-moi ce ne sont pas mes propos ce sont les propos de Cristiano Ronaldo il a traité tous les noms le euh, bien entendu le patron de France Football euh, N'Golo Kanté Ngan Kanté bien entendu classé cinquième le joueur de Chelsea le français Kanté supersonique Kanté mi nga xamné nak gars il est le meilleur milieu récupérateur au monde il a été classé cinquième. Huitième, c'est le capitaine du, euh, du Danemark, le défenseur de l'AC Milan qui a été placé euh, classé quatrième e il a été nommé donc à la huitième place bien entendu le cyborg le joueur de Borussia Dortmund Emric Erling Haaland Erling Haaland mom lañ onzième place l'artificier et à côté de lui il y a également Romelo Lukaku classé douzième Romelu Lukaku qui a fait une très bonne saison avec l'Inter de Milan Italie Nekon, Dieu le championnat italien bi mom le tal teko ko place bi Raheem Sterling a été classé lui à la quinzième place le joueur de Manchester City qui a été mon déception depuis quelques années mon Neymar Neymar le Brésilien qui a été classé 16e un des plus mauvais classements de Neymar le brésilien le de Gendoué, au fin fond Quelqu'un également il a eu un classement il a été même nommé d'abord meilleur joueur du championnat espagnol de l'année 2020 2021 Moïkan, Moï, King Luis Suarez classé à la 17e position dans le Ballon d'Or Mon sax King Ramne Moï Lionel Messi euh, titre Ballon d'or et à côté de lui une star montante Mason Mount. En tout cas, Gaï, le Ballon d'or a aujourd'hui encore consacré et sacré pour la septième fois Lionel Messi. En tout cas, Ballon d'or, un Ballon d'or mérité, un Ballon d'or qui va faire quand même polémique, mais polémique d'une woy ci Edouard Mendy nga xam ne En tout cas, Gaï, woy like, woy vous di willing dans la famille eSport TV. J'aime Jeff.